Nous sommes donc au studio Flo Wolf. Flo Wolf, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue, mon frère. Merci, de façon, tu as crié là, je peux filmer. <laughs> ça fait partie, bien sûr, euh, du concept. C'est ça un peu, l'artiste s'exprime du studio Kalangu. Ça va, Flo ouais, ça va très bien. Parle-moi de Flo. Flow Wolf à l'état civil, tout ce qui va avec Flo Wolf. Euh, pour commencer, je m'appelle euh, Monsieur Florence Sessou à l'état civil. Euh, non artistique, on m'appelle Flotti. Au sein du studio, on m'appelle Flo. <laughs> Donc c'est pour ça que le studio s'appelle Studio Flo. Je suis un jeune artiste, compositeur, interpréteur aussi. J'ai commencé la musique en, en 99, 2000. Euh, j'ai commencé au Bénin en 99 et j'ai continué ça à Niamey en 2000 en voyant comment le hip-hop ça évolue. Donc euh, je me suis vraiment poussé dedans pour aller plus à fond. Avant j'écoutais beaucoup les RDS, euh, les BSB vers le Bénin et après je me suis approfondi dans ce que je fais comme musique parce que déjà à la maison, chez moi, la famille est musicale. Ah, ok, d'accord. Oui, ma mère chante, mon père aussi il chante. Donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe du mono. Donc à travers ça, je chante déjà. Donc après je me suis perfectionné dans le rap. C'est ça un peu le début de, l'artiste. Alors parlons un peu du beatmaking, c'est ce qu'on dit. On sait qu'aujourd'hui, euh, tu fais partie des meilleurs ici au Niger. Parlons un peu de tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé euh, Ce qui m'a poussé dans le beatmaking, au fait, je suis allé à Zender dans l'objectif de faire mon propre album. Donc, euh, j'ai mon patron qui s'appelle Jean-Louis, qui est mon père aussi, adoptif, si je peux le dire. Et donc, je suis allé, il fait mes compositions et tout ça. Donc, j'étais pas vraiment à l'aise parce que je me trouve pas dans la composition qu'on me fait. Donc, du coup, il m'a dit, mais essaye de faire toi-même. Peut-être <laughs> tu vas arriver à faire mieux. Donc, il m'a dit ça juste ouvertement comme ça. Et il a une machine à la maison. Donc, euh, moi, j'ai pris la machine, j'ai réparé la machine parce que j'ai fait de l'électronique aussi. Donc euh, après, j'ai bidoué la machine, ça marche. Après, j'ai commencé à regarder comment il fait à la maison. Je reproduis la même chose. Et un jour, il était surpris. Il me demande c'est l'instrument de qui. J'ai dit non, je les ai composés. Donc il, ça l'a vraiment surpris. Il a invité des gens à la maison. On a écouté des trucs comme ça. Donc euh, c'était un wow. Donc après, une fois au studio, il me montre un peu plus les mains, comment ça fonctionne et tout ça. Et donc c'est à partir de là que je suis parti. C'était en 2002-2003. Parlons un peu du studio Flow. À Niamey, quand est-ce que tu as commencé Où est-ce que tu as commencé euh, Je me suis installé à Niamey en 2005. Ok et j'ai fusionné avec euh, une association qui s'appelle l'association Foufo. Donc c'était un partenariat donc on a travaillé ensemble, on a fait des grands projets ensemble, comme notamment le projet avec l'ambassade d'Amérique, notre hip-hop, donc deux h pour la paix. Donc on a fait cette compilation et après beaucoup de travail. Quand je me suis installé à Niamey pour la première fois, euh, je pense euh, en six mois, j'ai enregistré 800 et quelques sons. 800 et quelques sons en six mois Oui, oui, en six mois et deux albums dans les six mois. ok. Au fur et à mesure, aujourd'hui, je ne peux même pas compter combien de singles j'ai enregistrés. Et même les albums, voilà, il faut que je compte pour pouvoir me repérer combien d'albums j'ai enregistrés. Alors, on va parler un tout petit peu des difficultés que tu as rencontrées, euh, bien sûr, avec les artistes, euh, avec euh, le métier, pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions. C'est important de d'énumérer cela, Flo Wolf. parlons de difficultés. Les difficultés, ça ne manque pas. Mhm. Sur notre chemin, on raconte <laughs> toujours des difficultés en matière de musique. Mais généralement, moi, j'ai pas vraiment été face à ces genres de problèmes ou des problèmes d'asile animaux où le gars ne veut plus de moi, ne veut plus travailler avec moi, c'est là. Je suis pas dans cette optique-là. Mm. Alors parlons un tout petit peu de ce que toi tu as gagné dans le beatmaking. Euh, en termes clairs, j'ai beaucoup gagné dans le beatmaking. Euh, n'empêche que je ne veux pas parler sans dire que la musique ne nourrit pas son homme au Niger comme il le fait Le beatmaking euh, nourrit son homme au Niger Pas vraiment. Ah, si l'artiste souffre, ça veut dire que le beatmaker souffre aussi. Ah, si l'artiste gagne de l'oseille, c'est qui veut dire que le beatmaker, il a deux fois plus. Ah ouais. ouais. C'est un peu ça. Ouais. D'accord. Alors, l'instinct est solennel. L'artiste s'exprime, te donne aujourd'hui la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de toi. Moi, ce que j'ai à dire pour tous les artistes, c'est de creuser plus. Ça veut dire, on est toujours sur une plateforme où on est toujours ici. On n'essaye pas d'aller plus en haut vers les échelons, grimper plus haut. Si je le dis, c'est pas pour vexer des gens ou bien pour dire que l'artiste ne force pas. Il y a des étapes que l'artiste force, c'est le côté artistique. Il essaye d'être mieux, d'être la star que tout le monde veut voir. Mais au-delà de la star, où est-ce qu'il veut aller On ne cherche pas à savoir où est-ce qu'il y a du festival pour qu'on puisse participer. On est toujours là calé dans notre coin, on ne regarde pas les infos pour s'enrichir. Quand tu ne cherches pas, tu ne peux pas grandir. Tu vas toujours rester dans ton coin et à un moment, quand un autre artiste va venir, mais tu vas être à la touche. Ainsi parle Flow Wolf. Hey.